auditeurs auditrices du studio Kalangou, bonjour à vous. Ravi de vous retrouver dans ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou de ce lundi 21 août 2023. Où que vous soyez, nous vous disons merci d'être des nôtres. Je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam. Bonjour Sieno, comment vas-tu Je vais bien, Dieu merci. Sieno, nous prenons également un moment pour saluer nos collègues qui travaillent en coulisses. À la technique, Sekader Chambiano et à l'édition Adama Dawaki. Alors Sieno, quel est le menu du jour Aujourd'hui, Mariam, nous avons concocté comme d'habitude un menu captivant qui ne manquera pas d'épater hein, nos auditeurs actuellement scotchés. Nous, débutons, nous débuterons avec le flash d'informations suivi d'un cocktail musical en envoûtant mettant en avant la musique nigérienne. Ensuite, nous aurons une séance passionnante du loti avec les desks femmes du studio Kalangu suivi des analyses sportives passionnantes de notre chroniqueur d'aujourd'hui. Il s'agit de Adam Sariou. Toujours à Menis et nous dans la rubrique invitée du jour. Nous recevons Mohamed Nassir Ayouba Djanjouna, président de l'association No Limit Generation. Avec lui, nous parlerons du fonctionnement de l'association. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Zander pour parler de l'impact de la fermeture des frontières avec le Nigeria. Nous allons clore cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un moment inoubliable en notre compagnie. trop tarder, je vous propose de suivre les flashs d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, comment ça va alors pour ce matin, dans un message à la nation qu'il a adressé dans la soirée du samedi 19 août, le général de brigade Abdrahman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a annoncé la convocation prochaine d'un dialogue inclusif pour décider des grandes orientations de la transition dont la durée ne saurait excéder trois ans ainsi que des principes fondamentaux de la refondation de l'État. Le chef de l'État a aussi fustigé les sanctions infligées par la CDAO au Niger suite au coup d'État du 26 juillet et a mis en garde contre toute intervention militaire contre le pays qui serait considéré comme une occupation. Au lendemain de la réunion du comité des chefs d'état-major de la CDAO pour la planification de l'intervention militaire en vue de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, l'Algérie a annoncé dans un communiqué regretter profondément que le recours à la violence ait pris le pas sur la voie d'une solution politique négociée. Dans le communiqué publié toujours samedi dernier, le ministère des Affaires étrangères de l'Algérie a de nouveau mis en garde contre les risques d'une telle option tout en estimant qu'une sortie de crise pacifique est encore possible, indique Actu Niger. La société civile a organisé hier à Niamey un meeting de soutien au CSP et d'appel à l'endroit de la population à plus de résilience face aux sanctions imposées au Niger par la CDAO. Selon un acteur de la société civile nigérienne, le Niger fait face à plusieurs défis, dont le premier est aujourd'hui l'insécurité à laquelle il fait face depuis plusieurs années. Ensuite, dans ce flash d'information, une opération de sécurisation et de convoyage de camions de transport de marchandises et d'autres produits de première nécessité a eu lieu vendredi sur l'axe Burkina Faso-Niger, rapporte le service de communication des fans. Cette opération conduite par des unités de forces armées nigériennes a permis de sécuriser et convoyer une rame composée de 311 camions venus de plusieurs pays de la sous-région à destination du Niger. Enfin, pour ce matin, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire rappelle dans un communiqué rendu public la semaine passée que les instances de collectivités territoriales restent de la plénitude de leurs prérogatives. Il s'agit des présidents des conseils régionaux, des conseils de ville, les maires et les présidents des délégations spéciales. Par ce communiqué, le gouvernement informe les gouverneurs et les préfets que les organes relevant essentiellement des administrations régionales et locales restent et demeurent dans la plénitude de leurs compétences. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers, auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui comme invité Mohamed Nassir Ayouba Djanjouna. Il est représentant de l'association No Limite à Générer China. Bonjour Bonjour Nassiro. Bonjour Mariam, bonjour Saino. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Avec vous, nous allons parler du fonctionnement de votre association. Mais avant de lui donner la parole, écoutons d'abord ensemble la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Je vous propose Kwekeina de Fé Mousse Poussi. Kokena Kena zarma signifie un enfant ne hors mariage. Dans cette chanson, Moussa Poussi chante la situation de ces genres d'enfants indexés et difficilement acceptés dans les deux familles. Thank you. Voilà, c'était là le premier titre de notre sélection musicale, chers auditeurs, tout en espérant que vous avez aimé. Maman Nassir, nous sommes à vous. Pour commencer, présentez-nous brièvement votre association et dites-nous quelle est sa mission. Merci Mariam. Euh, je tiens d'abord à remercier le studio Kalangu pour euh, l'opportunité et merci aussi à l'équipe. Euh, no Limit Generation est une association créée depuis aujourd'hui trois ans euh, juste pour euh, permettre aux jeunes de se retrouver euh, sur une même plateforme, dans un même cadre, pour des objectifs communs. en réalité, l'idée m'est venue avec quelques collègues, quelques collaborateurs, parce que nous avons tous eu l'expérience de certaines organisations des jeunes, certaines associations où nous avons vu quelques insuffisances mm. qu'il nous fallait régler ou bien corriger avec une autre création euh, d'organisation. Donc euh, c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place No Limit Generation et qui, comme le nom l'indique, c'est la génération sans frontières. C'est des jeunes qui sont là pour euh, vraiment euh, brûler les euh, frontières ou bien faire disparaître les limites ou bien euh, c'est que nous pensons que la jeunesse ne peut pas faire ou bien ne pourra pas aboutir à certaines choses comme euh, nous le pensons à une époque. Maintenant, nous essayons de briser ces frontières-là et mettre la jeunesse dans des conditions de pouvoir se servir et servir la nation. Ok, alors Nasser, quelles sont les principales activités et initiatives que votre association entreprend euh, au départ, j'aimerais un peu vous parler de la structuration de l'association, mhm. euh, un peu différente des autres associations. Nos limites euh, à un système de gestion décentralisé. Mhm. Euh, nous n'avons pas l'autorité vers la présidence ou bien le bureau exécutif. Non, nous disposons de plusieurs branches. Mhm. Chez nos limites, exceptionnellement, nous disposons des euh, ambassades. Euh, et nous sommes d'abord ouverts à tous les jeunes. <laughs> Les ambassades, c'est des branches de responsabilité. Nous avons un ambassadeur qui s'occupe des jeunes scolaires. Donc hmm. tout adhérent de nos limites qui est scolaire est rattaché à cette ambassade-là. Ainsi, nous avons l'ambassade des jeunes filles, nous avons l'ambassade des sportives, nous avons l'ambassade des artistes et enfin l'ambassade des euh, jeunes déscolarisés et non scolarisés. Là, ça concerne les jeunes qui ont une fois été à l'école, comme vous le comprenez, et mhm. ceux qui ont vite quitté l'école, mhm. et aussi ils y sont rattachés. Et chaque ambassade une équipe. Et ils sont tous euh, gérés indépendamment et ils rendent compte au sommet. Ok. Alors, euh, vous avez eu à réaliser euh, un certain nombre d'activités, certainement, avec ces, ces, ambassades que vous venez de citer. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelques activités hmm. ou quelques initiatives oui, Comme dans nos objectifs, hmm. euh, nous œuvrons dans le sens euh, de sensibiliser les jeunes dans le changement de comportement. Et dans ce sens-là, nous organisons des activités culturelles, des activités sportives, des activités de formation, parce que ça fait partie aussi de nos objectifs. Hmm. Euh, Récemment, nous avons créé euh, une branche que nous appelons euh, No Limit Event. Mhm. No Limit Event s'occupe de l'organisation des activités rassemblements social, séminaires, cérémonies, mariages, fêtes et tout, même les concerts. Euh, nous avons réalisé beaucoup d'activités de rassemblement public. Et dans ce sens, c'est des jeunes qui sont est euh, formé à organiser des événements. Vous voyez un peu, mhm. ça c'est juste euh, un exemple euh, dans plusieurs autres. Nous avons un volet qu'on appelle la brigade verte no limites. Mhm. Là, c'est les jeunes qui sont focalisés vers la formation dans la protection de l'environnement, mhm. l'économie verte et tout ce qui est nature. Vous voyez un peu. nous avons aussi no limit rollers club qui est un club des sportifs du roller. Alors, dites-nous comment nos limites Generation abordent-elles les défis auxquels font face les jeunes d'aujourd'hui Ah oui, les jeunes vraiment font face à des défis. Euh, hein. <laughs> vous le dites. Donc, euh, techniquement, nos limites à la seule stratégie de solidarité. Nous hmm. essayons d'être toujours ensemble, avoir une, une même vision. Hmm. Donc, euh, les défis auxquels font face la jeunesse nigérienne, entre autres euh, la déscolarisation, le manque d'emploi, hmm. surtout, surtout le, chômage, chômage qui dérange tout le monde aujourd'hui. Mm-hmm. Nous, notre stratégie, c'est de les former dans des divers métiers mm-hmm. et leur permettre euh, de s'installer et d'entreprendre. Mm-hmm. Euh, comme dans le cas de l'organisation des événements, quand nous négocions une petite prestation, euh, nous permettons à ces jeunes-là de prester et générer un peu de revenus. Hmm. Donc c'est dans ce sens-là, il y a des jeunes qui sont passionnés par la couture, euh, il y a ceux qui sont passionnés par l'agriculture, il y a ceux qui sont passionnés par euh, la menuiserie, l'électricité. Nous les amenons dans des petits centres qui leur permettront d'apprendre pour que, avec le temps, ils créent aussi leur petite moyenne entreprises. Avant de continuer, marquons une petite pause avec ces titres de de l'artiste Hamma Commissaire. Top, c'est parti. aiwa aiwa an da sintina don wadon mabe na safari ya ganda maduma duma duma saban da gande iza can da lo'o ai mana don mafai no na fai

no kina hamma kom seluke aine mai kam kom seluke uizina hamma kalimano uiza ayagolayang uiza ayagolayang ole ila jandalo ay mana don mafai madan manai fai kwale munafikai ibarabo futai gaino na don mo kai kan baran na ma dinji madinji gauga goron ai zakar dai aidi dan makom to ruke I ne mai kan makom sai ruke Kamina hamma a chanté pour sa femme. Il s'agit de sa première épouse qui a divorcé de lui à cause des commérages de l'entourage. Il chante son regret et décrit à quel point d'amour est belle et séduisante et à quel point les relations étaient parfaites. Voilà, c'était le titre de Hamma de l'artiste Hamma Commissaire. Poursuivons nos échanges avec euh, Mahaman Nasiru, président de l'association No Limit Generation. Alors, euh, monsieur Mahaman Nassirou, comment mobilisez-vous les ressources et les partenaires pour euh, soutenir vos initiatives hmm? Ok. Les ressources, d'abord, euh, notre base de mobilisation, c'est euh, nos cotisations habituelles. Mhm. Euh, nous avons pris une habitude que, bon, les gens jugent mauvaise. Nous, nous ne partons pas vraiment chercher des financements. Nous essayons toujours de faire euh, avec le minimum que nous disposons pour donner un exemple. Parce que c'est devenu le quotidien de toute organisation d'aller demander un financement. Or, je pense que la jeunesse a une capacité minimale avec laquelle ils peuvent mettre en œuvre des petites initiatives pour, euh, pas besoin de se faire remarquer, mais pour laisser de l'impact. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour nos Limit Generation Ou bien avez-vous des projets ou des objectifs à long terme Oui, des projets, nous en disposons comme tout le monde. Nous avons des projets énormes. Euh, l'objectif principal, c'est de rassembler un grand nombre de jeunes autour de cette euh, idéologie, moi je l'appelle, parce que euh, nous pensons que la jeunesse doit avoir ensemble et dans la même direction. Et avec le temps, nous recevons chaque fois des adhérents. Avec le temps, je sais que euh, nos Limites pourra rassembler un très grand nombre et faire passer leur message. Euh, pour un peu ajouter sur la question de, euh, partenaires, et nos partenaires techniques sont la plupart les écoles dans lesquelles nous plaçons nos éléments pour des formations. Mhm. Et souvent, c'est des organisations qui nous demandent de leur amener pour des mini-prestations, je dis des prestations provisoires, nos éléments eux, ils nous facilitent vraiment la tâche parce que sans nous aider financièrement, ils nous donnent quoi faire et quoi mettre en action après mhm. une formation, euh, nos éléments. Mhm. Et à long terme, à long terme, les objectifs de No Limit Generation, c'est de réunir toutes les organisations des jeunes pour qu'on voit ensemble euh, vers la même direction. J'ai toujours dit, le changement de comportement, ça commence par nous-mêmes. Il faut poser l'acte pour faire voir à l'autre. On ne dit jamais à une personne, viens, je vais te changer. Non, montre-lui que tu es bien et lui, il va s'échanger de lui-même. Exact. Ok, alors comment, euh, par exemple, les personnes intéressées peuvent euh, peuvent-elles contribuer ou s'impliquer avec votre association Il suffit juste de nous contacter et adhérer à l'association. L'adhésion chez nous est facile et simple. Vous manifestez votre euh, intéressement. Elle est gratuite elle est gratuite. Tout ce que vous payez, c'est votre carte de membre. <laughs> ok. Alors, est-ce que euh, vous avez parlé également des, différentes activités que vous avez y amenées C'est uniquement ici à Niamey ou bien vous intervenez également dans la dans à l'intérieur, j'allais dire. À l'intérieur du pays, nous avons des euh, ambassadeurs, pour ne pas dire euh, des points focaux. nous avons quelques amis de l'association, dont certains, mm. nous l'avons créé ensemble, ils se sont déplacés pour des raisons professionnelles mm. et ça nous a permis d'implanter l'association Azender, Maradi, Tawa, Dosso, euh, mm. Tilaberi, c'est euh, ces nous n'avons pas eu accès. C'est juste par manque. Euh, la dernière fois, notre élément qui nous représentait là-bas est revenu pour des raisons d'études à Niamey. Donc, euh, notre point focal est un peu défaillant à DIFA que nous essayons de mettre en place. C'est pour vous dire que un peu partout dans les régions, nous intervenions et il nous arrive de voyager avec toute l'équipe mhm. pour des activités qui nous amènent dans les régions. Ça nous permet aussi de croiser des jeunes mhm. et d'avoir de nouveaux adhérents pour faire connaître l'idée et voilà. Super. Merci infiniment, euh, Maman Nassirou, d'avoir répondu présent à notre invitation, mais aussi d'avoir répondu à nos différentes questions. Nous vous souhaitons excellente journée. À la prochaine, Inch'Allah. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nos de la rubrique hebdomadaire. Oui, Mariam, nous sommes lundi et nous allons parler justice. Exactement, sinon la rubrique hebdomadaire Justice de ce lundi va porter sur le recours à des plans contentieux ou recours à des plaines juridictions. Qu'est-ce que c'est que le recours à des plaines contentieux En droit, le recours à des plaines contentieux est un recours contentieux qui s'exerce devant le juge administratif et sur lequel la juridiction administrative prononce entre l'administration et ses contracteurs et ses contradicteurs. Voilà, pour euh, plus de détails, écoutons Maître Abdulrazak euh, Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed. Qu'est-ce que c'est que les recours de plein contentieux Également appelé recours de pleine juridiction, le recours de plein contentieux est un recours par lequel il est possible de demander au juge administratif non seulement de valider ou d'annuler un acte administratif, mais également de réformer l'acte, de lui en substituer un nouveau ou encore de condamner au paiement d'une somme d'argent. Quels sont les domaines du recours de plein contentieux Les domaines du recours de pleine juridiction sont nombreux. Il y en a cinq cas. Premier cas, il s'agit du contentieux contractuel. Dans le contentieux contractuel, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge administratif d'un recours de plein contentieux afin de contester par exemple la validité du contrat. Deuxième cas, le contentieux fiscal qui recouvre également le contentieux du recouvrement et le contentieux qui tend à la restitution d'une taxe. Dans le contentieux fiscal, le juge peut non seulement annuler ou valider une décision, mais il a aussi la possibilité de réformer la décision en réduisant une imposition, par exemple. Troisième cas, le contentieux électoral. Dans le contentieux électoral, le juge peut déclarer vainqueur celui qui avait initialement perdu les élections et dès lors que le juge constate de graves irrégularités ayant pu modifier les résultats du scrutin. Il s'agit bien évidemment eh, des élections municipales. Quatrième cas, le contentieux de la responsabilité qui peut incomber à l'administration pour le dommages causés aux particuliers par les faits des personnes qu'elle emploie. Et il s'agit par exemple des litiges qui sont nés du fait des accidents causés aux usagers des ouvrages publics ou eh, les litiges qui sont nés du fait du mauvais fonctionnement du service public. Cinquième cas, le contentieux des sanctions. Les sanctions qui sont infligées, par exemple, par l'administration à un administré, relèvent du contentieux de pleine juridiction. Et par exemple, le retrait du permis de conduire est une sanction et ça relève de compétences du juge administratif dans le cadre du recours de plan juridiction. Quelles sont les conditions de recevabilité du recours de plan contentieux Les conditions de recevabilité du recours de plan juridiction tiennent au requérant et au délai. Pour le requérant, il doit tout simplement justifier d'un intérêt à agir. Donc, l'acte en question doit avoir un impact sur sa situation juridique. Le requérant doit également pouvoir faire état d'un préjudice. Et s'agissant du délai, il est de deux mois à compter de la publication de la décision s'il s'agit d'un règlement ou à compter de la notification s'il s'agit d'une décision individuelle. Y a-t-il une différence entre les recours de plan contentieux et les recours pour accès de pouvoir Il y a une différence entre le recours de pleine juridiction et le recours pour accès de pouvoir. Dans le recours pour accès de pouvoir, l'administré attaque un acte administratif dont il se borne à contester la légalité. Ainsi, dans le cadre du recours pour accès de pouvoir, le juge est seulement saisi pour annuler l'acte administratif en question. Et dans ces cas, le juge n'a que deux possibilités. Soit il fait droit à la requête et il annule l'acte, soit il ne fait pas droit à la requête et il valide l'acte. Au contraire, dans le recours de pleine juridiction, l'administré attaque une action, une activité de l'administration. Donc, le recours de pleine juridiction permet donc au juge de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative qui a pris l'acte. On voit bien que dans le recours de pleine juridiction, le juge administratif dispose de pouvoirs étendus. C'était là la rubrique hebdomadaire. C'est nous, allons encore une fois de plus consommer de la musique. Cette fois-ci, on va aller avec le son Zutia de MDM Kourou. Le temps est le se remettre contre la souffrance, c'est ce qu'on m'a dit. Mais dites-moi combien de comprimés je dois prendre pour apaiser ma douleur. Je me sens tellement seul, où es-tu La nuit j'arrive pas à dormir parce que t'es plus là. Mais dis-moi où es-tu, moi je ne peux pas dormir. Je ne fais que voir ton image au fond de moi, oh toi ma reine. Est-ce que je dois quoi pour oublier, Mes droguer pour oublier? Est-ce que je dois m'isoler au fond de la savane pour oublier? Oh mon Dieu, tu m'as infligé une douleur qu'elle m'a supporter. Je me sens seul, comme un enfant abandonné qui a perdu tout ce grâce à toi ma douleur je demande juste une petite trêve comme un enfant abandonné qui a lui toutes les peines qui a perdu toute la joie de vie au nom Zotia y a de même des outils tu y a de même des outils y a de même outils tu y a de même des outils y a de même outils tu y a de même des outils dan dabe Allah ka taimake ni ka ni kullum raina a bace yake fuska da nake so yau ta bace mini baki nan zuciya ta ta mutu baki nan mama Allah shi karki da gafararsa rayuwa ta zama banza tun da yau Je me sens seul, comme un enfant abandonné qui a perdu tous ses revers. Grâce à toi, ma douleur, je demande juste une petite trêve. Comme un enfant abandonné qui a enlevé toutes les peines, qui a perdu toute la joie de vivre au nord. Sortia, la même petite comme un enfant abandonné, qui a toutes les peines, qui a perdu toute la joie de vivre au Dans ces morceaux, Soul M Kourou chante sa tristesse, sa peine de cœur face à la perte d'un être vraiment très cher à ses yeux. Il s'agit de sa tendre maman. On ne peut que lui souhaiter que Dieu apaise son cœur et que l'âme de la disparue repose en paix. Après cette pause musicale, chers auditeurs, direction Zander pour voir l'impact de la fermeture des frontières du Nigeria sur les commerçants. La fermeture des frontières du Nigeria suite aux sanctions de la CDAO a porté un coup dur aux activités économiques entre les deux pays. Les commerçants a déplorent cet énorme manque à gagner depuis la mise en vigueur de ces sanctions. Écoutons les reportages des Arboukar sur le sujet. De la ville de Zender, quelques automobilistes font le va-et-vient sur la route Zender-Magaria, frontière avec le Nigeria. Mais rien n'est plus comme avant depuis l'entrée en vigueur des sanctions de la CDAO. En effet, depuis la fermeture des frontières, Hadiza et Hawa, commerçantes à Zender, se voient bloquées et déplorent cet énorme manque à gagner. wannan zuwa da zawo shiga Najeriya da hutawa shine kasuwancin da nake. Kin ga yanzu a halin da nake cikin ma ni kin gani ban da miji. Yalle gare ni marayu. Wannan shiga da huta da nake yi ita ce nake samu nake ci da su. In muka tai Najeriya muka ɗauko kaya muna kawo mu raba ma mata. su ta su sai da sati yi a gama kuɗin mu a bamu amma yanzu tun tahiyya da muka yi tun kafin wannan matsalolin su haru har yanzu ba mu koma ba shiru muke ji kin ga wa'anda ma muka kama ka rarraba musu abubuwa sun sai da sun ba mu kuɗin duk mun ci da iyallai da shi da amma kasuwancin wannan da shi ne nake ci da iyallai na kin ji cikin halin da muke a gaskiya da da farko muna dan shiga cikin Najeriya duk da kin san a dama akwai ɗan wasu ɗan matsaloli da muke ɗan fuskanta wajen shiga cikin Najeriya nan da kuma hutu da kayayyaki muna kawa muna ɗan saidawa muna rarraba ma mata kin san dai harkar kasuwancin tamu na mata haka ne mu dan raba ne in wata ya mutu a tattara mana kuɗi a bamu ko wani sati ko sati biyu to dai gaskiya tun da aka yi wannan al'amari da yadda wannan kungiya ta sai da yawo ta kakaba takunkumi ciki har da rihe wannan iyaka ta Najeriya mun fuskanci matsaloli da daban-daban kun ce matsaloli da dama dangane da wannan harkar kasuwancin nan. A da gaskiya bana sati biyu uku ban shiga Najeriya ba. to kuma tun da aka yi wannan abun ina ga har kawo yanzu sauran 'yan kuɗin noma kullum ɗan taɓa nike yi ina kashewa in ɗan yi wannan kin san harkokin mata muna da buƙatoci daban-daban yanzu kusan na kusa cin wajen rabi a jarin nawa in aka ci gaba da haka kin ga zan cinye jarin gaba ɗaya in ku na cinye jarin gaba ɗaya kin ga hallo wata babbar matsala ce wanda wannan shekara ce da muke dan samo kayayyaki muna kawa da su ne muke sa muna ɗan biya bukatocin mu yau da kullum na kula da waɗansu 'yan uwa iyaye da 'yan ɗiya haka wanda Allah ya bamu to kin gani abin a yi sai hamdala za a ci. Une situation qui entraîne d'énormes conséquences économiques tant pour les commerçants et transporteurs que pour l'État. C'est pourquoi les commerçantes lancent cet appel. Ni yanzu kenan da nake dan Allah dan annaba a taimake mu a dubi marayun da muke da su a taimaka a kama mana a yi kokari a buɗe mana don saboda zuwa da zawon da yake da shi ne muke samun ci da sha. dan Allah magabata a yi haƙuri a sasanta mu dai a buɗe mana saboda mu masu ƙaramin ƙarfi. Wannan magabata musamman ma wannan ƙungiya ta yawo ɗan sa ma rai ruwan sanyi da su ma wannan magabata namu na Nijar a samu a zamana a sasanta a samu hanya ta maslaha wanda dai a sahun gaban su a hudda waɗannan takunkumi da suka zo suka kawo mana matsaloli da cikas a harkar kasuwancin mu yanzu da zaran sa an tattauna an janyo wannan takunkuma sai kiga komi ya warware cikin ikon Allah shine watan muna da kira ga kungiyar CDAO da magabata sabuwar gwamnati ta Nijar a zamna a sasanta a dibi talakawa na Nijar halin da suke ciki. le commerçants et autres usagers souhaitent un prompt rétablissement de la situation pour que les affaires reprennent de plus belle. Voilà, reportage signé Zara Boukar. Euh, on nous signale de l'autre côté de la technique que Zara, notre correspondante qui est à Zander, qui d'ailleurs a réalisé ce reportage, est au bout de la ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, Zara, dites-nous dès lors, est-ce que la situation a changé ou c'est toujours pareil Non, c'est toujours pareil. La situation n'a pas encore changé puisque euh, les, frontières restent fermées. Donc, euh, hmm les affaires euh, n'ont pas repris encore. Ok, alors dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des personnes qui essayent euh, d'accéder par la voie euh, frauduleuse Oui, il y a des fraudes, ça ne manque pas, mais ce n'est pas prudent. Hmm. En tout cas, euh, beaucoup de commerçants ne se hasardent pas de passer par cette voie illégale. Hmm. Et est-ce que cela est en train d'entraîner euh, le hausse des prix de, ces produits-là qui, qui, viennent du Nigeria Oui, hausse des prix des produits, c'est ce à quoi on assiste hein, depuis la fermeture des frontières. Aïe, aïe, aïe. Les, euh, prix ont pratiquement grimpé sur beaucoup de produits. Hmm. Donc, euh, c'est comme ça. Ok, d'accord. Merci infiniment, Zara. Je vous en prie. Excellente journée à vous. Merci à vous demain. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Mariam, à présent, on va se chauffer un peu avec du sport, n'est-ce pas Eh oui, c'est nous. Aujourd'hui, de notre page du sport, hein, nous allons parler de la pétanque sur le plan national. Eh bien oui, une de nos équipes qui s'était rendue à Agadez a rencontré Bazo Nafiru, un membre de la Fédération nigérienne de pétanque et aussi entraîneur de l'équipe nationale. Il nous fait le point de la pétanque au Niger. En ce qui concerne la pétanque, euh, sur le plan national, nous avons un championnat national qui est organisé chaque année. Nous avons des différentes coupes organisées par les différentes ligues, euh, notamment au niveau d'Agadez, une coupe euh, de la Concorde qui l'année dernière s'est jouée, on avait joué la dixième édition. À Zander, nous avons euh, la coupe du président de la République qui est jouée l'année dernière. En tout cas, il y a plusieurs coupes. En tout cas, sur le plan national, euh, nous avons en tout cas une grande activité euh, de pétanque qui se déroule chaque année, qui est financée non seulement par la fédération, les sponsors, les ministères et les différentes ligues. Euh, sur le plan international, en 2021, nous étions au championnat d'Afrique de pétanque, euh, où nous avons remporté le premier prix, c'est-à-dire la, médaille d'or en tir de précision. Et en équipe, nous avons obtenu la qualification au mondial, qui se jouera d'ailleurs euh, dans un mois, si je peux le dire, au Bénin, du 4 septembre au 18 septembre. Donc nous sommes euh, qualifiés à y participer. Il y a pas, euh, il y trois semaines, on était à Maradi pour la présélection. Il y a des joueurs qui sont présélectionnés. Dans les joueurs présélectionnés, Agadez a trois qui sont présélectionnés, qui iront à Niamey pour, en tout cas, la sélection définitive. Donc ça, c'est vraiment les activités de la pétanque euh, sur le plan national Maintenant, sur le plan euh, régional, à Agadez, ici, nous avons une sorte de Champions League que nous organisons, que le district d'Agadez organise. Donc, nous avons quatre clubs qui sont engagés dans cette compétition et nous avons pratiquement deux mois, voire même un programme jusqu'en décembre. Chaque week-end, nous avons une activité qui réunit tous les clubs c'était là la page Sport. Chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas, Seno Oui, Mariam. À Maradi, après le défunt Sadou Bori, Moustoyaro a incontestablement repris le flambeau de la musique avec euh, des chansons que la jeunesse reprend à tue-tête et qui passent en boucle sur les ondes des radios de la place. Il continue de faire son bonhomme de chemin, même si les temps sont plus, sont plus durs.

da shiga cikin harkar music a 97-98 na bar ecole ina class cm2 don kawai sai na shiga music cikin ikon allah a dai sanni kamar eh, wajejen 2008 kin nan 9 wanda ya sama. Miya baka shawa haka shiga waka? Music eh, nake saurare kamar ire-iren ta Allah jikan rai su madagani sa'ad bori su maliyaro su sani abusa su ne nake saurare a wannan lokacin kawai dai na jini duniya ba abin da nake so kamar music ina ka fara music ina ka koyi music a cikin maradi na koyi music tare da orchestra Kano Star daga nan kuma na komo tare da Sa'adu Bori Allah shi kare. lokacin da ka fara waka ana danganta muryarka da da Sa'adu Bori a wannan lokacin me kake shi kashi? Gaskiya na gode ma Allah tabarakallah bismillah na aji hankali na bayan shi mai na. Eh, marigayi alai sa'ad Bori yana raye duk abin da yake ni dai ina aji hankali na sosai na ganin shi domin in yi shi kuma tun yana raye ya gano kamar haka kanan din tunda tun yana raye din wani lokaci waka shi sai a buga sai ya tura ni sai in kenan sai nake ta samun kura shi wani lokaci ne aka fara ka fara tashi annan maradi lalle kaman irin kaman 2009 dis cikin wannan lokacin da ne. Da waɗansu waka ne ka kai tashi sosai da mutane suka yi sanka bayan waƙoƙin da kake na sadwuri. Akwai wakan bugubirin asali wadda nake ce ma bawa mutum kuma akwai wakan tumba wanda muke malakami da suna mariya mai windi da su santana da irin su labarin gida da irin su ban kwana da katon banza da wannan masunan dai gaskiya har yanzu ana sauraron su yaya uh, waka yanzu ana nan ana ta yi ko yaya to lalle ya yanzu abinda muka samu gaba kenan dai yanzu wanda dai har yanzu nan ne inda dai madakatan mu ta tsaya mu san abin da kuma gobe za ta kumsa ba bayan da sadu bori ya rasu yaya ka je ka so ka tsaida waka ko wannan bai hana ka ba ka ci gaba da waka ka bayan rasuwar sa'adu bori Allah ya mishi rahama gaskiya na gilgisa sosai to amma Allah da ikon shi magabata mashawarta suka kara min kura shi cewa da kan in sari in ci gaba ni ma da kanka yana ma na ga hakanan bayan wannan waƙoƙi akwai a wannan lokacin waƙoƙi da kuke shiryawa an kwana biyu ba shi sabin waƙoƙi waƙoƙi da kai ba musto me ya kawo wannan ina ganin yan watanni ne zan cewa kaɗan da na fito daga arlit tare da orkestar colombe de lair na yi turwa morso kuma morson nan guda uku har yanzu haka fa cikin wanga lokacin ana sauraron su da kyau da kyau to kuma ina da program na ni in hidda nawa album me akwai abubuwa da dama wanda suka hana kamar me da me su hana ka yanzu ka hudu album ɗinka na farko dai muna da rashin tallafi yanzu dai mu dai nan ga cikin maraɗi sai mu ce gaskiya muna da wannan matsala mutane wanda ya kamata masu hannu da ne ko kuma su bangaren minister de la culture wanda ya kamata su dai kama mana to su ne gaskiya ba su kama mana ko muna da courage bai yiwuwa yanzu cika wani gurupu ne kuke seleman wani gurupu ne muka yi sabo mai dauke da suna eh, super superstar za ka yi raira mini waka guda wanda ka yi so zan zaɓa ma kaina sai in ce waka wadda na remix ɗinta wadda mai gida na ya yi ta direbobi allah la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi komi za mu yi mu Allah sauran ɗan abin mu bai ya ɓace gaban za. Après ce portrait très inspirant, dégustons ensemble notre avant-dernière musique prévue dans le menu d'aujourd'hui. Il s'agit du morceau Zamandounia de l'artiste Faisan Aboussa. Kumar. saha ko maha abinda ba mu zato ko ba kaji né en 1969 à Zander Sani très jeune à la musique et pratique parallèlement le foot. Élève exemplaire, ses parents voyaient d'un mauvais œil à l'air fils à devenir musicien. Face à sa passion, ses parents finirent par accepter et Sani sort de l'ombre et crée le groupe Haske avec son acolyte Abdou Tambalio en présentant sa première chanson à un concours organisé par le préfet des Anders en 1985. Et oui, cofondateur de l'orchestre Super Haske avec Adamou Lehman et Tambalio, le groupe emporte le prix spécial du jury au concours d'Angourmou avec le titre Sangala en 1990. Le 20 décembre 2004, l'étoile montante de la musique nigérienne s'éteint à l'hôpital de Niamey euh, des suites d'une euh, longue maladie. C'était là le titre Dunia de Sani Aboussa. Mariam, on passe au loti du jour. Eh oui, c'est nous. le loti de ce lundi 21 août 2023 évoque l'importance de faire périodiquement la lessive de son linge de maison. Et cela pour éviter les conséquences que la poussière et la saleté pourraient engendrer. Samira Rouafi et Rekia Arimi. Affairage, affairage, affairage, Coucou, voisine. Bonjour. Hum, hum, hum, Voisine, bienvenue voisine. Comment vas-tu Cela fait un bout de temps que je ne t'ai pas vue dans ces parages. Effectivement, j'étais un peu occupée par mon boulot. Mais dis donc toi là, à chaque fois que je viens ici, je te trouve en train de faire ta lessive. Si ce ne sont pas des draps, ce sont des serviettes ou des rideaux. Tu n'as rien d'autre à faire que ça Mais j'entretiens ma maison, c'est tout. Et tu sais que j'aime le propre. Qui n'aime pas le propre Pas toi apparemment. Bref, je voulais juste que tu saches que c'est important de laver son linge fréquemment. Hey, épargne-moi tes histoires là. Tu regardes trop la télé, ma chère. Moi, je fais ma lessive tous les deux mois. Vêtements, serviettes, draps, tout, tout, tout quoi. Et il faut dans deux mois encore. <laughs> Et tu t'es dit coquette. Hum, laisse-moi te dire, voisine. Nous vivons en ville et il y a trop de poussière avec plein de particules jusqu'à dans nos maisons. Et ces poussières peuvent être nuisibles pour notre santé. Mais que veux-tu que je fasse Laver tous les jours mon linge, comme quelqu'un qui a la diarrhée ou qui fait pipi au lit. Je n'ai ni la force ni le temps pour ça, vraiment. C'est pour cela que, si tu as constaté, tous mes draps sont de couleur chaude. Rouge, violet, orange, on ne voit rien, même s'ils sont sales. <laughs> Kazama, tu veux tromper qui Écoute, les particules de poussière s'accumulent très rapidement et polluent nos maisons. Et attendre trop longtemps avant d'échanger notre linge peut favoriser la prolifération des acariens qui peut provoquer des problèmes respiratoires, voire même des allergies. Allergies Mais attends, c'est sérieux ce que tu me dis là Bien sûr. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de laver nos draps tous les 7 à 10 jours parce que les draps et les têtes d'oreiller accumulent des particules de sueur, autres sécrétions de la peau et des tas de cellules mortes. C'est logique en plus ce que tu dis, mais je n'ai jamais pensé à cela. Attends, ce n'est pas fini. Tout ce que je viens de te citer peuvent causer des irritations ou favoriser l'apparition d'acné sur ton visage. Mais c'est peut-être ce qui est à la base de mes boutons là. Ah, c'est toi qui connais les niveaux de salissure de ton linge. En faisant la lessive, n'oublie pas tes serviettes. Il faut les laver au moins une fois par semaine. Gassa, toi là vraiment. Je n'ai pas fini encore. Tes rideaux noirs, noirs façon là, qui sont devenus je ne sais quelle couleur, pense à les changer. Deux ou trois fois par an suffit. Voilà, c'est mieux comme ça. Fainéante, va. Donc toi-même, tu reconnais que tu ne fais pas d'efforts pour rendre ta maison propre. Tu veux dire que je suis sale En tout cas, tu n'es pas plus propre et coquette que moi. <laughs> si seulement je pouvais te regarder à travers un microscope. Ne te moque pas de moi. Hein. Et surtout, ne va rien raconter à mes belles-sœurs là. Je vais suivre tes conseils dès ce week-end. Ah, là, tu as intérêt, hein <laughs> auditeurs, c'était le loti du jour. À présent, retrouvons Jackie Dalton pour la culture linguistique en anglais et en français. L'expression d'aujourd'hui est I like. Hello, bonjour. It's a pleasure to be with you. C'est un plaisir d'être avec vous. I like being with you. Like. Ça, c'est le mot anglais d'aujourd'hui. Que veut dire like? Aimer. J'aime, c'est I like. I like reading. J'aime lire. I like eating. J'aime manger. I like sleeping. J'aime dormir. I like. Et pour dire tu aimes ou vous aimez, c'est simplement you like. You like. N'oublions pas que you, c'est la même chose que ce soit tu ou vous, il n'y a pas de différence en anglais. You like sleeping. Vous aimez ou tu aimes dormir. Et maintenant, si vraiment on aime beaucoup quelque chose, on peut dire plutôt I love. I love eating. Moi, j'adore manger. I love sleeping. Moi, j'adore dormir. Et bien sûr, peut-être vous le savez déjà, I love, c'est aussi pour exprimer de l'amour. I love you. Je vous aime. He loves me. Il m'aime. Donc like pour les choses que vous aimez pas mal et love pour les choses que vous aimez vraiment et vous pouvez même aussi utiliser le mot adore. C'est comme adorer. Adore. I adore you. Je t'adore. Et si au contraire il y a quelque chose que vous n'aimez pas, c'est simplement I don't like. I don't like. Et si vous détestez quelque chose, vous pouvez dire I hate. I hate. I like. That was today's English word. What do you like? Merci, Jackie. Chers auditeurs, euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'expression en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Ni sunana Malam Mamu ina zama da RTA. Shi shi ne studio Kalangu da gaskiya masha Allah. Ga waya ma ne muke kama mu juna gidan daga haka mu saurare shi masha Allah. In studio Kalangu abubuwan da suke burge mu a ba da labaru kai tsaye wanda da lokacin nan ba ka samu shi labarin. Amma yanzu kai tsaye yin shi ya shigo kenan da cewa Nijar ta ci gaba kenan Nijar kuma abun ya zo maka kai tsaye ko labari ka yi shi wanda aka yi jiya ma ka yi shi ko wanda aka yi da sai ka yi shi da mara ce za ka yin shi ya faɗo kai tsaye kuma da saurara ba ma kamar na kewaye fada a bisa kan wannan na kewaye fada na gaskiya lokacin da ake shi ranar sam didi mashin gaskiya muna tsoron shi kai da kai ta irin na faɗi hankali sosai na ba matasa hili na faɗi yanzu kuma matasa kuma masha Allah irin daidai gwalgwalo suke faɗi muna jin su sosai kuma da yake hitawa ba wani iska ba wani abu ba sai langa inda kake ji ita ce za ka saurari sosai nake jinjina musu kan studio kalangu ina tura gaisuwa gare su studio kalangu inda suke aiki da sauransu kuma ina jinjina gaisuwa ta ga Fatima ta a radio Tabulat Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et oui, chers auditeurs, euh, les Hindadi Karewa, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et moi-même, Ali Munkel Ousseni, alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous. Chers auditeurs, le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. Sur ce, Mariam, on dit bye bye à nos auditeurs.